Ribillon, Ribillon, Ribillon 2019. Le plus grand festival de fin d'année organisé par la ville de Dakar sous l'égide de Madame le maire Soa Wardini à la place de l'Obélisque le 31 décembre en Get Star. pap Djouf et la génération consciente en live. alaikum wa Ndakaaru Diop Sangomar man la le leader de la génération consciente dans le fête de fin d'année la nuit. wax fii place de l'obélisque ville de Dakar ak madame la maire Soham El Wardini un grand concert sera offert suivi d'un feu d'artifice et ce sera un moment inoubliable pour enterrer l'année 2019 à partir de 21h le 31 décembre Pape Diouf et la génération consciente ak sunu artistes le 31 décembre. gars année 2020 en beauté affaire yaa ngi fii bernde yaa ngi fii ñu taalanoo ndakaaru ndakaaru leer ñëpp kontaan ñu woye leen ba 6 heures matin jaajëf